Génération FM. Génération FM. Après la formation de plus d'une centaine d'entraîneurs, garçons et filles de la Ligue de Ziguinchor, les formations en gestion administrative et gestion de matériel et sur les lois du jeu avec la CAD Ziguinchor, la Ligue régionale de football de Ziguinchor, sur financement de l'ONG canadienne Right to Play, a organisé un module destiné aux clubs de la Ligue et aux équipes féminines des écoles de football de Ziguinchor, un module dénommé Mentora. Sidi Ahmed Kouka, le point focal de Right to Play à la Ligue de Ziguinchor, s'en explique. qu'on a initié avec avec euh, Ray to Play euh, pour que ces modèles dans le football sénégalais, notamment en Casamance. Donc on a choisi ces profils afin qu'ils puissent venir quand même euh, auprès de ces gosses, partager un peu leur expérience avec les jeunes footballeurs de la région de Ziguinchor, notamment les filles. Ça, ça permettra aux filles de connaître un peu le monde amateur et de faire la différence entre les exigences du monde amateur et du monde professionnel. Donc euh, nous pensons que cela permettra aux gosses quand même hein, d'avoir une certaine prise de conscience et de pouvoir exceller dans le football parce que ce que nous voulons c'est que d'ici 2030 qu'on puisse avoir beaucoup de Sadio Mané dans la région de Ziguinchor et notamment chez les filles des, gens comme euh, Les premiers échanges de ce module se sont déroulés avec l'ASC Capsikiring dans le département de Suye, sous la conduite de Papa Gorgui Ansoudiadou, coach de Guéjoy Football Club, Souleymane Diallo, coach équipe nationale locale, et Badara Diata, président de la CRA de Ousmana de la Ligue revient sur le pourquoi de ces activités d'échange. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, au niveau de la région, il y a énormément daech, il y a énormément de clubs, il y a énormément de jeunes qui pratiquent le football. Énormément de jeunes qui pratiquent le football euh, et qui n'ont pas de repères. Voilà, cela veut dire qu'ils s'entraînent, mais ils n'ont pas de jeunes, de gens qui peuvent les accompagner au-delà des entraînements, parce qu'ils ont besoin de ça. C'est pourquoi on s'est dit, on va choisir des gens, des modèles qui vont venir les aider à pouvoir se réaliser demain, au-delà de, ce que leur donne leur coach. parce que l'autre problème, c'est qu'on forme énormément de jeunes et on les perd à l'après. Parce que beaucoup de nos jeunes, si vous regardez, si vous allez au niveau de Dakar ou dans d'autres régions, tu ne verras aucun club. Dans tous les clubs, il y a, sur, cinq, tu trouveras un jeune de Zéenchon. Donc ils partent. Peut-être que nous, on s'est dit, il leur manque de mentors, de gens qui sont auprès d'eux, qui les conseillent, qui les aident. L'autre aspect, on s'est rendu compte que aussi beaucoup de jeunes qui ont du talent n'arrivent pas à percer. On s'est dit que peut-être il y a beaucoup de choses qui les manquent. D'autres diront des conseils psychologiques, d'autres diront des conseils pédagogiques. Mais nous, on s'est dit, euh, en amenant les Ansou, les Souleymane Diallo, les Athanas Tendin, les d'autres, les Badra et d'autres figures du football de la région, peut-être ça va les pousser à se transcender et à pouvoir avoir confiance en eux, se dire que pourquoi pas eux, ils peuvent réussir dans le football. Papa Gorgui Ansou après avoir exprimé sa joie d'être choisi comme un modèle pour ces jeunes footballeurs, espère voir ces initiatives renouvelées pour l'intérêt de ces jeunes sportifs. Ces jeunes-là, il leur manque quelque chose ce chose-là, c'est quoi C'est le mental qui n'a pas été forgé dès le bas âge. Parce que aussi, il faut le dire, à ce moment de la compétition, mentalement, on doit préparer ces jeunes-là à comprendre que ce qu'ils font là, c'est un métier. Et c'est un métier qui peut leur apporter plus que ce qu'ils peuvent avoir quelque part. Mais il suffit d'être sérieux, il suffit d'être conscient, il suffit de comprendre et d'avoir des objectifs et des ambitions pour y arriver. Donc nous, pour nous aujourd'hui, c'est juste de venir leur faire comprendre dès à présent pour qu'ils prennent conscience que nous sommes passés par là et que nous avons réussi. C'est parce que nous avons cru en nous-mêmes et nous avons cru en nos possibilités et nous avons eu des objectifs qu'on s'est fixés et nous tentons de, les, de, atteindre. Une idée partagée par les dirigeants de l'ASC Cap nationale la ñu ñëw indil am ku lay ku ku lay ku tatagal mu lay nga ko mu lay wax ngay dëgg comme ça nga mën a am atteindre sa objectif. voilà wax nañu si lu bëre si loo xamante ni yu ñu war a moytu yu ñu war a def pour ñu mën a am performance bu baax ñu mën a réussir si football. Mm. te yaakaar naa ni soxla woon nañ ko. Mm. waaw bu baax a baax. initiative bu bu baax la foog naa ne lii moo fi manqué woon ci côté bi voilà. fii zone boo xam ni zone touristique la tourisme bi moo gën a kii mais tamit village bi ku xam village bi football lañ xam amuñu infrastructure yu baax mais ñëpp football football lañu ci football il yëngu nous naa tamit li motivation pour xalé yi fi nek voilà ñom buñ fa buñ ko di def de temps en temps Il faut daf ñuy jappalé trop voilà di leen ñaan ñuy gën ko dikoy faral dikoy répéter quoi la deuxième étape celle de Bignona a mis le focus sur les lois du jeu avec Badara le président de la CRA de Ziguinchor en présence des filles de Gazelle FC des joueurs de FC Bignona et des joueurs de FC Bignona Academy l'entraîneur de l'équipe féminine des Gazelles de Bignona a exprimé toute sa joie et espère que

à tout moment parce que buñ ko défé xalé yi dañu xam luy football luy loi du football parce que ñu bëri dañuy dem terrain di casse te xamuñu lan moy loi du jeu mais on buñ ko répéter à tout moment day gën sensibiliser ñi. Le président de la CRAD Ziguinchor a exhorté les techniciens et les joueuses à s'approprier les lois du jeu pour éviter des confrontations avec les arbitres. Je pense que le travail doit être beaucoup plus mis dans ce sens-là, faire en sorte que qu'on arrive à une meilleure vulgarisation des lois du jeu, à une meilleure connaissance des lois du jeu. Ça permet de, en tout cas de régler ou bien d'amoindrir les zones d'incompréhension pour le bien du football et puis pour le bien du sport d'une manière générale. Et la preuve, la plupart des questions ont porté sur euh, des questions de fait de jeu, de faire de jeu, mais beaucoup, beaucoup moins sous les règlements. On a beaucoup parlé des faits de jeu. Euh, pourquoi telle situation, pourquoi telle action, pourquoi tel but, pourquoi tel y a pénalité Donc des faits de jeu. Mais la réflexion doit être poussée beaucoup plus sur la connaissance exacte des lois de jeu, ce qui va nous permettre, à partir de ce moment, de franchir ce palier, en tout cas de réduire le, des zones d'incompréhension dans le foot le lancement du championnat féminin des écoles de football de la Coref de Ziguinchor au stade Pedro Gomis avec 10 équipes participantes a servi de prétexte pour dérouler la dernière étape du module, une étape consacrée aux jeunes filles, ce qui réjouit le président de la Coref de Ziguinchor. Ce dernier, après avoir magnifié les efforts consentis par l'ONG Right to Play dans la formation et l'équipement des clubs, ASC École de football demande à cette dernière d'aider la Ligue à réhabiliter les infrastructures et de doter les filles des écoles de football de kits d'hygiène. infrastructure bi manqué na vestiaire tey xale bu jigéen ah, wutee na ko xale bu góor ma yàlla mooy ngeen baal ma du teew xale bu góor su bëggoon tour ndox dafay tourner rek dem def ko fële waaw alors que tey xale bu jigéen bi rus na ko sax ah, wàccee tubéyam bi ne dafay peut-être tour ndox et xamul aussi mun na am sax comme ni ñuy wax ñoom ñu nekk ñu gis seen baax ah, mu dal leen ci biir terrain bi nan lay def su amul fu muy dem làqu wala fu muy dem kii pour mu mun changer wu dafay métti donc yooyu yëpp difficulté la pour ñun euh, euh, encadreurs yi ñun entraîneurs yi surtout ñoo xam ne ñoom ñoo yore jigéen ñi du parfois nga yor dis entraîneur bi góor la ñu ñële ay jigéen lañ peut-être jigéen bi dina rusa ñoo taxaw ne ko ah coach man de lii ak lii moom a dal wala yooyu wala tey coach bi peut-être moom tam rus na ne am nga dem jëndi serviette hygiénique mais gis nañ ni que peut-être foofu su ñu amee ñu ñu gën jàppale ci côté boobu vraiment dina baax. damay dégg ci au niveau de la ligue euh, right to play dafay jàppale euh, xale yu jigéen ñuy jouer ci service hygiénique suñ ko amee ñu jël. Son appel a été entendu par le point focal du projet Right to Play au niveau de la Ligue qui a annoncé que deux infrastructures sportives de la commune seront réhabilitées et adaptées aux normes genre pour permettre aux filles de s'y épanouir. Nous aussi nous nañ ko et que club yi sax bëgg nañ leen gëna dimbalé parce que euh, waxtaan nañ ak bailleur bi ñu ngi sét ak municipalité bi terrain bi terrain Pedro Gomis bi ak Gilles François Bocandé nan lañ war mëna def ba terrain yoyu ñu mun ko défar ci condition anam yu baax bu ko defee xalé yi mëna football vraiment football bu football bu rafet football bu baax parce que lolu bu amulé rek gis ngeen terrain bi nu mu mel donc euh, pour nga mun ci euh, joxe football bu rafet fay metti bu bo xolé vestiaire yi non seulement amul ndox amul courant mais sun stade Sénégal yépp lay wax lolu aussi on a attiré l'attention des autorités sportives ak euh, bailleur bi sun stade yépp amul point bo xamné ne bu jigéen bi bu nekkee ci diiram. war na mën a dem toilette boo jekk génn kenn du xam ci lu mu nekk loolu aussi ñu ngi ci euh, mais aussi dinañ leen accompagner en terme de serviette hygiénique yi nga xam ne sa permettra xale yi jigéen ñi ñu nekk a à l'aise loolu exigence lay doon loo xam ne bëgg nañ club yi yëpp. Nous avons désormais des boîtes pharmaceutiques qui Le module mentorat de la Ligue, financé par l'ONG Right to Play à travers le projet RECAPG a été clôturé par une invite du président d'Adjamat Foot Center, l'ancien international sénégalais Athanas Tendin, aux encadreurs des écoles de football à plus de solidarité, d'entraide et d'échange de connaissances pour booster le football féminin à la base. the best radio.